travailler comme prévu. Aujourd'hui, c'est le midi du grand rassemblement coordonné par l'expliquant coordinateur du mouvement Katuyaka. Wolmen Dawola Jama dans le verre où il dit Ekilio ke wole jam. Ekilio, Anika Bila Babele Akide, Anate Lakum, Anata Kola. Katanye Ko, SDK Ko, Anika Lakum, Anata Kola. baraya duniya to lega duniya to lega sun ta mun ji kaltin kola kalcai alfarana da amoi basta baranta kola ai kibaro le nati kaltin kola kalcai da fara kalumma basta da da ko kula na fare mun jande sp kapo na te kundi mulo ai alatte tume ma ave kata ni kaltin kola musala tello Thank you.

la présidente va vous donner la deux agent qui est le candidat à la coordination assurée à notre gouvernement de la MAPI. La présidente Nana Mabi est parti pour la première agent. Président Thomas, le président de la République de la République de la République. Président Kalikai, le président de la République de la République de la République. président de de Prezident Dendra Sidibe, SPKB Kontoma Abedi Kula Dekai. Prezident Dendra Deji, SPKB Kontoma Deji Tukeye. Prezident Kutumare, SPKB Kontoma Abedi Kula Dekai. Prezident Daram Kuj, SPKB Kontoma Abedi Kula Dekai. SPKB Kontoma Abedi de Dekai. président président Lansana Biaye branché mobe yolonde france mbaw pro football également ngapo dianne kabila ma ninga kiliɗo ke kuja kay peta ya ya dafa ka konto ka tentu ka jay président anti spkb kontona be tentu la be jay la legend HTT dirigé par Jarab Alboulo Kosal Faye président Mbijande Malan Sissoko ka tentu ka konto ka jay SPK ka be konto na famba président to Mbijande Ndey Khadi Biay SPK ka be konto na abe tentu la abe jay la également alliance responsable politique ko la modol Mbijande foko e konto ke tentu ke jay ñemmo mbari maleti ablaye kebe ka konton kebe kunda famille o ɓeetola ana kaf ño mamouna radian cheikh adama ke konton ke teddu ke diaye nga fale nu ndiane o ɗo mum ɓe sir njeeli omar diouf spk kaf ñolo a ɓoɗa fo ngeexo a ka sinama ɓe ñim ɗewɗo ana kotoma ke konton ke tentu ke diaye mais également président ousmane mbalo fele sir ndia spk ɓe kontona ɓe tendu la fanfa spk bari fele koma toute ka yumpañ ayda konto ane amu adoko mal mulbe nata jake be konto ke jay mero kuñi spk ka bal konto na bal tentula bal jayla ne tuti spk ka bal tentula bal konto na bal jayla e kafol mol be alti yam fu manga multofo ma multofo beye spk la ngani sénégal on ne donc a bulo day beye abe be konto na ka be tentu ka be jay spk Il y a les jeunes, il y a les jeunes de l'autre côté. Il a ASC le Mouitele à l'eau. demi-finale au Béboul. Barbico était entraîné train de la ciné accompagné par le capitaine Badoua, Yarou, SPK Balten de la Calte Colton. Donc, Wole Moukiliroti, Néo Badadje, nos frères journalistes Moulbidja, Anina Serel, qui est pendant Colton, qui est tout, qui est Djaï, Inatama mais également le DJ Nimunti Nyandanyoka, Madika Mbaika, Tentuka

politico ɓe dami mbiseji e sénégal molɓe hakkilol ɓe janjandinne mol maalo ɓe kelanyami ñaami bari mun koyta wolo iteɓe mun koma yellowo e allah moye mum babulu wole ɓeete ɓulu kabila ɓawantel ngo discipline ol sotoɗa notre mouvement mum ɓen na coordinateur o ɓulu wole ɓen mbulu donc mbim ɓen taƴa wolla ka e ka yitandi beela ko spk ɓe do kuuɗo kuula a kake presidente son excellence monsieur Macky sall Macky Sall, makisal mo londe donc aɓe doku dokula anene doku doku ke politique o kono aya kele anin président makisal ka wole danda politique politiko kono donc bi kumol babulle aɓe mulfola o bori wula je kafo kafoɓe tentu gam moɓe dia mbina folo folola donc mbe diyamo dila mum na wolo

ala amuro pour seeju la taña to moy kumbodo kumbo to lafta ka tendu fan fan ka jayi sbk en ma qualité de président du mouvement Kabila Ba, sous la confiance de coordinateur SPK. Mais président Tolbe Kontona Kabila Ba, responsable Kebe qui Kilo na contona militants et militantes calvé. Condon. Je veux remercier au nom du coordinateur SPK les jeunes HTT, les hommes de tout terrain, les jeunes SPK, Mbé, Kabila Ba Moussou Kondo la femme qui était Ndouké Djaï. nom de la présidente Adama Biaye Boulogounou,

bi benda jam fem manke seju fo biri SPK nada bi albeya jele nous sommes au mois d'août mbe août le a tema fambol to kilinta hanila ka ɓe on kili politique wala jang kilinta kela woto woye mune itandi a yaytanile SPK ko sejum kol laftelale

bi ni occasion était encore pour moi qu'un message lancé à l'endroit de la jeunesse départementale de Sédou. Kafoyeko, président Macky Sall c'est un homme d'État président Macky Sall c'est un président de modèle en démocratie président Macky Sall nous en tout cas nous croyons en sa vision politique bi nimuye seejulon kunu ina naata jam bii i ko toña toña président Macky mu dow kuulalete wala ye spk mbenna engagement ni na détermination ba renouveler la à votre égard notre respect et notre considération à l'égard des Sédiois pour soutenir encore une fois la vision de son excellence monsieur Macky Sall ta Banko ta mandat Banko Funata Tembo président Macky Sall mu président dit, aya par sa grandeur qu'il ne fera pas partie de la course pour les élections présidentielles 2024 bari benno Bokuyakar, yakar be candidat de wala SPK en tant que grand leader alkana ngi fanan Faleko, il est en même temps coordinateur des Casacé en France il est membre d'une grande association, un mouvement en France qu'on appelle la DSE. Woto, SPK, il n'est pas simplement régional, il n'est pas simplement national, mais il est international. je demande, que les ndel be liderel mum kooma yela kato kele aɗum mota fala président Sall man fenke ñi sa sasankol mo kono jang mbe lidere mum kooma mota fala barkantawo on mo keɗa spekati mota fala hammentawo on mota fala bare dow wala woto bi nin tel be opposition ɗo ñantalola le na liderel batu ñe lamoy parce que ni ɓe monoma be ke kumudi ale ne o mbuusi ɓe moddani la J'invite la jeunesse de Sédiou, les femmes de Sédiou, à la patience pour savoir quelle est la direction et les instructions que le président Macky Sall va donner par rapport à son choix pour la continuité du développement du Sénégal. Woto, je veux remercier la presse CNU24, ITV et l'ensemble des organes de presse Moundema pour médiatiser cette activité qui est tellement mbe jalibuɗa ɓe kon ɗon mbe mbama kon ɗon na mu geɗa fatsula tambati ayen bambule ayen dandan alotañen ayen fasa je ne peux pas terminer sans vraiment remercier vivement Omar Diouf di Odi abe abe Siri kam mangue bari Lumina na SPK france gañi rassemblement lancé kabraya dia ako SPK ko ñinde folam ko sédiou ala passe o ana anata jan kana maɓe ɓe pour que SPK soutenir donc kabila ba sikkatije on va continuer à travailler ensemble ngana leader aya loñeɗami nga lowoto par parce que nte kela militant ni walla militante di muyalone mo garanna alpha kan sosolale Auto bi la jeunesse au Fanandani au calme. Parce que tout le monde sait en réalité que la revendication, c'est pour la jeunesse. Mais les solutions, c'est pour les autorités, c'est pour les responsables. Revendication, petit Bara Revendication, manni soto ñiye mankele après ya bula ya ñini mu ñanta ka réglé ya kilo jibe solution ñini pour ko jara mais ibuka banko jani ibuka dimbamala ibuka bumboy parce que fondinke wala sama banko nafati wala sama banko jibuti keɓal mul ɓen de ñaato sinin sama ɓe ɓola ƴeele nder fonni kel ndelle ɓe remplacé la wala tinna on doit être une jeunesse exemplaire une jeunesse modèle une jeunesse intègre pour la démocratie et pour la république je ne vais pas de nom là, moɓe là, comme moɓe là encore une fois, quand engagement, la considération, un respect à à l'endroit de mon coordinateur SPK. Vive Kabila vive Sédou, vive Macky Sall. Merci. Merci. Merci. pendapatan il y a un lit là où ça a été un lit pour que la mot libéré pour la poésie c'est le dernier ça va avec là le dévolté pour là souvent on fait l'idée l'année les jambes les spectacles pour le coup d'arrivée avec le rapport les bourrins et les tout les gens les également les spectacles là pour ça qu'il y a quand tu es tout à l'heure merci beaucoup les spectacles là très bon génial à l'heure Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mutanen kadar Ali Abdullah, Aybun Oğlum Musul, Ali Dabi Kutatı Nevat Kutatı Bambam, Musul, Ali STK Kutatı Nevat STK Kutatı Bambam, Hasan Musul Kutatı Kutatı Ve Tiyaret Kutatı Kutatı kalitele denda idenda katila idenda badiyala espeka e kilo ke hawda nga kutumi akane da kwale ape toka suwandika espeka ko ndia mo dia se so frère ala gran frère el alhamdulillahi rabbil alamin la ala ten to ko la be sallankila ma be kafo be konton fe o fele na be jango bi ane danko kabila ba ko la bal tan ko bal jayla ona ni ko na espeta bal tan ko bal jayla respecta mba frère go yedawda joxon mole mba woldo bi parce que comme il est appelé le président Macky Sall ay mun ke mboole ni Pamboka a joron de Morgul be lamola mais nak le président Macky Sall il faut ko ayalo ko e dow booli ke jam a ñanta falimu seydi lemal o falimu wonde soorani wona ko wone battola le président Macky Sall aya lon ko a ñanta o ɗiilelade population ɓe ko omo sorɓe kooma nko wone lamoy mais lamoyron mo aɓe meeɗa ma pasque an telal tak ñaatoɗo gonɗin coté mais mbe sohlanin fam fa par ce que musonɗi janno projet ɓe ɓulu eɓe makoye tanne mais a dasatan fota kafu coté ɓeɗen mbaɗa élection législative ol ɗo ye mu injecté jeune de dia musol fana e o oh, c'est incalculable milliard jamal lo

Voilà, Je voudrais, Bailanko, qui m'a évoqué. Ah, t'as tout le monde. des mouvements afflués dans le Benoît Bokyaka, en ma qualité de coordinateur de l'incontournable mouvement, le mouvement Kabilova, en ma qualité de coordinateur des KZC en France, vous dire merci au nom de toute autorité politique ici à Sédou. Mes sincères remerciements par rapport à votre engagement, à votre amour pour cette patrie, à votre détermination pour la stabilité du pays, à votre engagement pour le développement de la région de Sédou, plus particulièrement cette commune. Chère population, composé de braves et de valeureuses dames, d'hommes, de jeunes, de modèles. Votre détermination est une valeur signée par son Excellence, Monsieur Macky Sall. Les femmes, sans vous, le parti APR n'existe pas. Les jeunes, sans vous, la mer n'existe pas. Mais les femmes, sans vous, le développement n'existera point. Le pays a besoin de vous. Ce Sénégal qui nous est cher a besoin de vous. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur Macky Sall, le président du parti, a besoin de vous. Donc, dama bëgg seen taxawaay bii Sénégal yëpp rafetlu ko seen détermination bii Sénégal yëpp rafetlu ko bu leen si mës ndax ñun Sédhiou ñun Casamance fu ñu nekkoon xamoon nañ ko fu ñu jógewoon xamoon nañ ko bés bi tey fu ñu nekk nii xam nañ ko alors l'attaque tax ba Nous nous ñu am ko duñ ko ndax olof monsieur le président c'est de vous dire merci cette région te sera fidèle depuis 1960 à nos jours ce que tu as fait dans ce département, ce que tu as fait dans cette région, ce que tu as fait dans cette commune est à saluer de nous comme ça Excellence, Monsieur le Président, sous le Sénégalien Bayonne, tu te la Nous, nous Sédhiou duñ la nous ñun waa Kadina Ba Nous la bàyyi sosai nenanu sabu kudu sabu sabu kudu sabu sabu kudu sabu makisal olomu asabaranoti chère population ni ye kunu kili bi la a tɛ dan na n min kɔnɔ a koliyata baake parce que jiko fɛnw tɛnu je moo jelu hadamaden jelu kordati jelu millier la no ñi gandi bagoto don fote la leyan la imanna leyan soto fondinke jelu milliard lon ko ye wulu lalu bula i tata mane parce que man lafike wulu laaje man toro kono ma lafike wulu laaje kumbo kono dol sita dakar dol sita kaolak dol sita touba foy e fututa jeeto i man muruno kana sabati janto parce que ya karote nun janto bi on a senti que ka min kumbo nun a jama jama binato kayro fonno binato donc mo kanal fonno kayro la banko la yirwa abuka fo banko denw ko surtout a kewlu nin a musolu adun dun determination le je ali to murula koma muru la kooma ka moyal murundi kooma parce que ali ye min walan ali y'a sɛnɛ fo ko ali kati adun te sonna sɔnna la ko fa ye min do ye nana a kati ka tulungala la alla to ali la muto ali la alla nyom buuña sejo ɓe ka alkumawo le la continuez continue nimmo kilin wilita wili ya soto ni kayra boyta wili kayro ni koro boyta alman si wili tano politique engagement détermination derrière coordinateur réveillez-vous un président comme son Excellence Monsieur Macky Sall, un homme de valeur, déterminé, une valeur sûre, l'homme qui a fait la fierté de, du Sénégal dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est le seul pays, le Sénégal, je répète bien, le pays de la Teranga, le Sénégal de Léopold Seda Senghor, le Sénégal du président Abdou Diouf, le Sénégal du président Abdoulaye Ouad, le président, le Sénégal de Serine Bamba, le Sénégal de Hadji Malik, le Sénégal de l'imam de Ibrahim Nias. Ce pays, aujourd'hui, qui voit la lumière, un pays de référence dans l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest est secouée, menacée toute l'Afrique de l'Ouest est, est, dispersée par la population, sauf le Sénégal. C'est grâce à la belle vision, c'est grâce à la bonne vision, c'est grâce à l'engagement, c'est grâce à l'amour de son guide, de son président, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Donc, Moki, Alal, Nehna Torop, Wayene président de la république dafa am yene ci sénégal ji li may wax ni xam ngeen ko mën ngaa bokk feneen ngir président Macky Sall ni ngeen ko tànnee la la ñeneen tànn ñeneen chacun a son choix boo ne diw mooy sama président diw la andal te nga am ci choix ñu respecter sa choix noonu nga war a respecté choix wu keneen loolu mooy démocratie te loolu la président de la république son excellence noonu lay doxalee réew mi waaye yow da nga choisir diw kenn du la wax dara waaye il suffit ñu tudd Macky Sall nga jóg di saga di xataraayu la na ko fi jar Sénégal xamul kon gëm leen li ngeen di gëm ndax li ñuy falee président bilan mooy kaddu chef de l' état nga bëgg nga bañ ko ñun ñëpp nangul nañ ne ni président de la république moo waxoon ne du président du ah. présenté te présenté wul donc ce respect cette valeur bi mu incarné tax na ñu ko bañoon sax bëgg ko waaye lan moo nar a xew Sénégal lépp a ngi yëngatu ñëpp a ngi wax kan lee tànn kan lee tànn na ngeen xam ne ni tànn jafe na waaye président de la république Macky Sall il a notre confiance ñun dañ ko wolu li tax ñu wolu ko dama bëgg a ngeen déglu ma bu baax président de la république dafa am expérience expérience bi mooy géré na il a été directeur général il a été ministre il a été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président, il a été maire, mais il a été président euh, de, de, de l'Union africaine. de l'olu de naa ni a am expérience boobu. dañ ko war a été dañ ko war a jox bop, dañ ko war a jox làmmiñ te loolu la waa Sédhiou def ma bëgg ko xamné nako mom président de la République ndax du xëy rek tànn dafa ne su duma tan parce que kii sama xarit la duma tan parce que kii dafa rafet duma tànn parce que kii néeg néeg la mel danaa tànn parce que danaa gis ci moom bëgg Sénégal bëgg PSE bëgg programme bi nga xam indi nañ ko te sénégalais yi war nañ ci am jàmm war nañ ci am salam, war nañ ci am karange. noonu lay tànnee te bu tànnee ki mu tànn naa ko waxaat képp koo xam ne désigné na la porté na choix choix am ci yow xamal na ne ñun mouvement Kabila Ba yow yaay suñu candidat yow la àndal te yow yow la votel yow la ñuy yóbbu incha allah pour que nga mën a doon président la république ànd ngeen kii wala àndoo leen si ma ne musoolu ànd ngeen ci wala àndoo leen si Macky Sall dafa am yërmande bima ko waxe amna fu leer fi mako tek man din ko ko ni ke ba di bu ko to lola ni molu meje du kare ye ye fanje ntol sejum ko ni dakar ko lu manje du kare ngam fanje le ni kawla kun ko lu manje ni hombolun kol manje je hon kol ne al manje ntolu ngan fanjele mbota dami nga lonne adum be dami nga lonne min keta wo sababu tin tabulala ken duñu yakal suñu teranga ken duñu yakal suñu olala ken duñu yakal suñu yakal suñu olala

dañ ko war a mën a gaaw a pare président nee woon na ni sax di ngeen gise ci sous projecteur waaye nit ak wax yàlla ak ndogalam ñëpp xam nañ ni li mu def ci stade bi benn président defu ko fa kon jërëjëf monsieur le président chers jeunes les responsables de Kabilaba yéen ñëpp lay wax waaye gàcce gàllaama ak Goudiaby yaa Goudiaby yaa Tidjane Bang sanka suwal bijanna bang kabila ba musol al bijanna paldi jang modol be kuntun kuntunna doliyata sabayole chikaya bapala samana samana samana nkoye ko hani woyo sinapo kumbali unton sinnanze ngannanze ngannanze posega sokono nko hani tufanna wamo sikke samaye ke kon tewoto nteni kani nteni jara nteni bamu deni na adaman sinnanze ngan ngan ngan gannanze posede sokono ndax spk jaral nañu ko kabila ba jaral nañu ko je veux vraiment aliyalo ko ngal bene to fo ŋaalu bambule ŋaalu mutale mbotumonin bi dol kalelo ko fantinala dol duwatela fan kanana birin sama keta yalon kunun nemu ñanta kela mo dol ye jamba dongo kere kere pour ko mo kanana jam nko dindiŋulel i ka ñiŋ kentele ye i maŋ loŋ nuŋ ŋe obligé le dindiŋol ka miŋ fo ŋe obligé ŋa dato ñorondi ŋa ke dimanche ntate la jambo to ŋe la jambo ɗon ɓuusi ɓulu ɓi ŋa jam fara waj ala fo ye sabari ala fo ye jiyo min kandoɓe falali sabari

duma sen morom sama vision ëpp na leen maa leen sama benn wahu mooy seeni daw nko nii ma mboroo kabula sangoo ma nko ala ko kuruntu man saye naa ma mboroo noo kana sangoo bayi seejuu al ñoo sejo musolu al ñomuta nta manke man saketi min be molu talala nga min ma koy kunu wol le kan jawya bi bari nte be continuer la ke kanu mbe continuer la ke muta parce que sejo dingol le mu ibe sejo le kono fengo fe ni mu sejo nkoti nte be bambulale ani mi yambula bi sama ni natam be bambulale na kuma labango wole mu momo le solatanno foni i harjeten mbulu mote malo sotola mbulu mote doya sotola ya hormoni mbuña min be nu ya hani mantara politique kilin ala lon ko ngal bele muta ngal bele kaña adu mallati moji suye fananna bol mbe musolu kontonna mbe la famille kebe mbe kontonna signolu be la famille edor Sise, Fatih Kunda, ke Samate Kunda, Manjang Kunda, Sen Kunda, Konado Kunda, Sise Kunda, Sangare Kunda, Bari Kunda, Drame Kunda, ha, apa apa kan dia boleh? Drame Kunda, Saho Kunda, Kulim Jum, Wahai Samaker, Mpong Lekorda, lah Mujede Kunda, Tatulah Nok Chadi, Jeta Kiri, Mujede, Je veux dire merci à la presse. C'est du 24. une télé neutre, une télé qui fait la promotion des CEDOA, une télé qui fait la promotion des événements de Sédou. À son occurrence, son directeur général, son président directeur général Oldepat, Diko Centre Diko grand M. Biaï, la directrice Kiné, toute la presse ici, mon cher ami et compagnie. Edjob, Magéo, Yagnenou, top nga ma founé, boba dara xewul juróomi nit sa amuñu ko mun sa do doomam saluer le maire de la commune de Sédou mon cher ami Abdoulaye Diop saluer Annette Seck saluer Jean-Pierre Senghor Moulay Touré et tous ceux qui travaillent pour le président de la République les encourager and ak ñep pour ñu mëna jappalé candidat président Macky Sall nako ko je veux être très libre je veux que les gens soient libres. man politico yal ke jongoti man lafi politikoyal talandi laftale alnin dimbayalu deye ke kilinti fengo nin anin tolle avec makile mouvance présidentielle Akata abu Djokti, ni a ni n dimbaal ni jean pierre Solatanna, ma porte est grandement ouverte moulay touré ni a solatan na Kila bɛ anet le ministre ni a suis na Kila bɛ parce que ntol je suis seejo kuwol moni moye kuntu tankamu nami ni alichukuta aliye ni alichoni Makura aliya takura ka tendu ka jayi ka fale ko insha Allah rabbi je suis fier de mon ami sama yaay la ndey dikke sama lépp la tàccul leen ma bu baax a baax a baax waaye fu wax dëgg yàlla wa kabila ba affaire bi yalla sanje yi rafet nañu oh amul amul jalousie sen Musori, di rafet na way ala dawme sanje bi machallah sen souriri machallah joie de vivre bi machallah tombi la kenyol ye da saba ila ke mabrama la moliye da saba alafoye jiomi favorable mola jiomi ale ventilateur o mala sedef so fatala deb albijan e baldijan alwini balelo ngal diɓe ko alwini alelo ngal diɗe jogilen gen tahaw jogilen gen tahaw mimoy spectacle merci monsieur le président vous avez notre soutien merci monsieur le président vous avez notre soutien merci à tonton Abdoulaye mon cher ami sañse bi tonton Laye jërëjëf Mbari Mbañool bi la presse jërëjëf jërëjëf à mes chers artistes man ak yéen te bu soobee yàlla incha allah alakanam ma lu ñu ñëwee sama yaay sama xarit Ndeye Marie Edor gàcce gàllama à toi sa engagement gis naa sama yaay Mandiankunda di ko sant di ko gërëm bu baax kontanta baake mbita kontoon na leen incha allahu rabbi mbama Fatou Saho maññina baawo baala musol ɓeelenta wulu mbalten dulam balu jeyla na karfo balbulu bari musol karfo balbulu bari kewol karfo balbulu ni ala ya ke wiw pate Allah kul beti Allah ana man ke pon wiw ndana tollo bira kol ya tan tollemu nduna adiyata tollemu ko do ka sera ha ko kin bunare ne kin bunare ne amna lu khende merci monsieur le président merci à mon cher monsieur président Abdoulaye Abou Koulibaly il a assuré la question il a assuré merci je pense que la presse doit poser quelques questions on va vite faire une interview l'autre ni si moom de barkaal te en attendant nga modolu libéré mbilafta kata barin contenta baké musolu mbeyen duo kelalé responsable bal killalé pour que man la fa to fa la jax après nga jibé mbaké la ñaan parce que ko ñela ni ato fa kafo ko no dorom hay ka ka ka duré ko ni ato dorom cho ko bolé tombi fabra mara mol ben la moyola al sey C'est des sauts fatales à Merci. ACP. Inch'Allah, à partir de 20h, ce serait chez toi. Un choix HTT. HTT, René Ouais, la sécurité. Les gazelles, maman, amour. Ah, merci à vous tous mon cher ami mon président combattant de de tu es le président incontournable un président qui existe il y a le 10 ne tourne plus 10 tournant ne tourne plus Yaya jërëjëf Yaya merci merci à vous tous on va vite

Serigne Patekebe, Kébé, SPK, connu sous le nom de capitaine, le coordinateur départemental des mouvements affiliés dans le Beno Bakuyaka, le coordinateur du mouvement Kabilaba, le mouvement qui a accompagné Macky Sall lors de sa tournée économique, le coordinateur des Casacé en France. C'est de la L'objet de la rencontre, c'est deux points. Le premier point, c'est de préparer euh, l'échéance qui doit être là, le, les parrainages. Deuxièmement, la décision finale du chef de l'État pour accompagner le nouveau candidat. Mais massifier le mouvement, rassembler mes militantes et militants, prendre la, direction à soutenir le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Dans le cadre du parrainage, quels sont les jalons que vous avez trouver? Euh, dans le cadre du parrainage, les jalons posés sont, énormes, mais d'abord c'est créer une réconciliation entre tous les grands du parti, tous les responsables du parti. Euh, créer d'abord en première phase le dialogue, deuxième phase euh, aller massifier, travailler sur le terrain, troisième phase communiquer et à récupérer euh, le terrain par rapport, ça veut dire récupérer ceux qui ne sont pas avec nous et à les inscrire pour nous et puis continuer à travailler pour le chef de l'État. ce qui concerne le choix du candidat, N'importe quel candidat, si c'est la, désignation du chef de l'État, nous sommes partants. Macky Sall, nous le faisons confiance. il, a, notre soutien à 200%. Alors euh, voilà, tout ce qu'il dit, c'est notre mot. Son dernier mot, c'est notre dernier mot. Ouais, notre appel solennel, c'est le renforcement de l'emploi des jeunes et le financement euh, par rapport aux femmes ce cas, c'est d'où plusieurs femmes n'ont pas accès au financement. Plusieurs jeunes tournent à rond sans trouver de job alors qu'ils ont leur, euh, leur formation. Alors, j'appelle le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement à finir surtout les chantiers qui ne sont pas achevés et surtout à mettre un accent sur la formation et l'emploi des jeunes, surtout l'accès au financement. Voilà, moi le capitaine. Euh, ñëpp xamee ko Serigne Pathé Kébé SPK coordinateur départemental mouvement yu nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar fii ci département de Sédhiou coordinateur Kabila Ba euh, nekk coordinateur Casa C yu nekk biir France alors di ci profiter sax Euh, nuyu la DSE ñi nga xam ne ni samay collègues ak samay camarades yu liggéey biir Europe dans la diaspora euh, di leen nuyu di leen sargal à l'occurrence euh, Talla Daf voilà tey suñu taxawaay bi fii dañ ñëw pour d'abord sant gërëm wane suñu taxawaay si ginnaaw président Macky Sall waaye ci ñaari point benn bi préparer échéance yu ñëw muy parrainage bi incha allah parrainage bi ñoo si am ñaari pàcc mooy ni d'abord ñu jema djubo ak képp ko xam ne ne jubóowuñu voilà te dajale njabootu Macky Sall yi euh, ñun ñëpp ñu préparer liguey bi def ko benn liguey ak képp ko xam ando ak ñun ñu xol nu ñuy mëna a ak yow pour gëna euh, yaatal yoon bi voilà ñaaral ba moy ni dañ bëgg vraiment euh, préparer dernier mot président Macky Sall ci tan bu mo war a tànn bu ñu candidat alors ñun cadeau moy suñu cadeau wóolu nañ ko ba pare gëm nañ ko ba pare ndax moom moo wane loolu taxawaayam rafet na si ñun moom président de la république képp ku mu ñu joxañal kooku la ñuy gunge ci campagne bi kooku la ñuy voté incha allahu rabbi ñun waa Kabila Ba man ak samay nit. voilà ci loolu ñu koy ñaan ndax Sédhiou am na chantier yu bare euh, paregul alors donc loolu lu bare bare def na ko waaye lu bare des na ñu koy ñaan mu yeggalee chantier yooyu. Euh, ñaareel ba moom président de la république mu dugal loxoom. jigéen yu bëri wax dëgg yàlla amuñu accès ci financement te euh, jeunes yu bëri am nañu seen formation am seen i métier wala sax am seeni i lijaasa mais ils sont obligés de sortir. donc ci loolu vraiment on le demande mu accentuer loolu parce que yërmandem ci Sénégal yërmandem ci sénégalais yi ñun xam nañ ko alors donc demande boobu wax dëgg yàlla ñu ngi ko koy laaj pour mu gën a si jàpp alors ñaareel ba euh, ñetteel ba mooy ni euh, woo jeunes yi bu kenn fitna Sénégal réew teraanga la te yërmande bi gën a dox compréhension di gën a dox

Nous les demandons d'aller euh, avec la compréhension, voilà, d'avancer pas à pas dans la paix, dans la stabilité. Parce que voilà, comme le disent les Wolofs, alors ensemble, nous y arriverons. Le Sénégal, c'est un pays de la teranga. Alors brûler, saccager, tuer, c'est pas le Sénégal. Ce pays euh, de Ahmadou Bamba, Haji Malik et tant d'autres, ce pays euh, de Léopold Sada Senghor, de Abdou Diouf et on peut revendiquer, on peut demander, mais tuer, euh, saccager, brûler, c'est pas nous. Alors le Sénégal est le seul pays stable dans l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas qu'on se copie par rapport aux autres qui, qui nous font leur référence. Alors ne tombez pas bas les jeunes, voilà causez, discuter entre vous comme on le dit souvent les wolof a que Wartan am donc better late than never les gars mieux vaut tard que jamais euh, battez-vous continuez à vous battre croyez en vous croyez à ce pays croyez à la belle vision du chef de l'État son excellence M. Macky Sall baɗigolu kalu tentu bake kalu Djaï, ala tentu kola ka kilama alayhi voilà ka musol nin tentu mil molula sin saba eh, lodula folo folo wolemu ka eh, essayensolu eh, ñaato si komi ka fo ñami sobi ñolo ñaato si o parce que mbita to parrainage le kan wo parrainage olu nga sila dantan na wala nje wala mu ka badiya sunkuru fengo fe ni yatara e mu kuntiyol ti aper kono ni e badiya ni nge kili dawda mbine mutala nge makoy wo badiya kolala lafta ka muruna ka APR kono fanundi ka benno kono fanundi miliyalon koye nin ton ten ni e kacca ka jiiɓe ɓe denna banque ɗo ko wala ñaami par ce que banque omo beltati voilà donc o kono ko si musolu ɓendi e, nga président o fana dani par ce que do ku dinkirala e min wala jan ama biti folo aɗum molɓe solarala le voilà sa bulo kandi o ɗo kuulu to par ce que ɓi fondinkewol ñanta tarlale ka suuta balan waaki ok stadol to ani chantier jamal milliard ko karambo ni kudolu anyantara le aya laban kataba kataba donc o kono uh, ka adani parce to lam musolu jamal dingul tata mane parce malla fike wulula je uh, mantorol kono alors du coup euh, nko asi makoy isi manan kuŋo soto ño ñaami parce que na musol jamal bi je i waccilita bara manan kuŋo ke i wo manan kuŋo kono uh, fondinkewol fana ka dokuwo nole uh, diplômol be bulu bari ala nata ke ko e bulo man si dokuwo ma folo uh, alors e nyantarale ye tareya ye dokuwo keya donc au, compte de l'emploi des jeunes pour ya renforcer pour que na dimbal kana janjang alors ngal no maki sale ngani o soto nyele bari badani la kote ke aya ngani o dolu kafu kote ke a bulo kafu parce que bawo sénégal jiko ba tele ka nko a salon ko na kunun kumo mu bi kumulti aɗum inchallah ni ateye momole coodin toliye he ŋo jiko sota to tolo ko aten bulala din ko kono bawata fonkole ko nin be molu uh, eh, tombonnali he nta tombonna comba diŋolon walla n diŋolon walla aɓe tenna walla ñiñata a comba tombonna de par ce que ŋal a lonna ko banko kanoɓa to le bari do kuwo min mba tula janto aɓa laban kunna adun aɓe sénégal la kayro abo le sabato abo le kantala bawo sénégal mo kayra bankol ti duwa jaabi la mu donc mol ko mol si den o duwa la ga den o la mais ga den o engagement kilimo la adun ga ñom o ñom buña mu ni ite ko Eh, sambala la muyla kandidati moome naŋa kan ni sambala la kuolu ke moo buka ni doo ko demba la kandidati maŋ ñe na nen na photo dundi maŋ ñe na je chacun est libre pour ka lon ñina mbe janne ne jam bari be daamiŋ dandula le la kana bula doolu la aduŋ kana doolu mantora e eh, si fo ñawo ña alon ko ite ni téere la mu ite si téere muta ye fata o dama ma parce que i man dun ila domaine to alors je veux vraiment ko appel o ke mbarin kewlu mbarin musolu sénégalelu ntolle bijan parce que communauté el mil bijan communauté kendol lam voilà man jakolu man kañolu mano jolu jolalu mandinkolu sererol alpularol euh, surwalu ñillemu sénégal ti e nimmulu nata deng ñim bankun kan mirkata jine bisawo gambia ndi musol be futuri nje fanan din kewol nata be nyini nduro la janto do o badiya si continue o nyomuyo si continue adon o coopération si continue parce que banko be jikire makila la du makibi jam fo avril insha allah rabbi falo dun na wiloni boyotema eh, kayra jama kunta jeni kal tentu kalu jey alma kayro mela ka presso be content et puis ka fale namo nalen Merci. Et Job, je t'appelle.